Bassirou Diomaye Faye bi euh, seen communication ju bëri souvent dafa xaw ñoo xamante ni seen wax boo ko déggee euh, Sénégal dañ ci indi ay taxaw seetlu la preuve ba kii nga xamante ne mooy Birame Souleye Diop keroog bisu it bi génn na wax euh, xaw a ëttal nga xamante ne moom mooy suñu mbokk ñu nekk ci làmb ji naan kat ñoom gouvernement bi bu kenn xaaj ñoom ñu di présider ay li nga xamante mooy làmb ak ay football et cetera. parce que nous ci encore une fois dem ci ay ci football non xam renforcer les pouvoirs du premier ministre. oui parce que le premier ministre coordonne les actions du gouvernement. renforcer les pouvoirs du premier ministre. assemblée nationale lay c'est mhm. un projet de loi. le mhm. président bind léegi bu assemblée. Mmh. Ça reviendra aux députés du peuple d'étudier ce projet de loi. Mm-hmm. man du ma ci sori ñoom ñoo xam mm-hmm. ñu étudier. ba nous commencé waxtaan ce dossier bi après man naa si prononcer. prononcé wu. que kenn du ko ci mm-hmm. les tenants et les aboutissants le pourquoi le président Bassirou Diomaye Faye proposé loolu na ko gën a nous dafa bind rek proposition de loi pour renforcer les pouvoirs du premier ministre mais war na ay détails lan la renforcement pouvoir mais lan c'est lan la ak lan la dañ par rapport à la communication de du gouvernement la communication moi li nga d'un gouvernement il est rapproché, hmm. le gouvernement et le peuple hmm. rupture de gouvernement. écart de communication écart de hmm. communication bu amen entre le président Bassirou Diomaye Faye, dont je fais le rappel tout le temps, on n'a pas deux présidents de la République au Sénégal. On a un seul président de la République élu par le peuple sénégalais. Et Bassirou Diomaye Faye sera la seule personne qui rendra compte aux Sénégalais. si on dañ koy poñe pour mu jël décision wala ñu le loxoom pour mu jël décision wala ñu influence pour ba décision décision bu mu ça va revenir la responsabilité va revenir à Bassirou Diomaye Faye mhm. donc décision bu muy jël nous quand on a un gouvernement on ñu éviter un écart de langage entre le gouvernement et le peuple pourquoi on dit le porte-parole du gouvernement premier quoi quand ils ont un porte-parole du gouvernement le porte-parole du gouvernement doit recentrer l'ensemble de la communication gouvernementale Il doit recentrer à la personne du porte-parole du gouvernement on a vu la passation de service entre le ministre de la Communication sortant et le nouveau ministre de la Communication. Ce n'est c'est pas la première fois. donc un ministre de la Communication bu que que d'avoir un wax ak casque du Sénégal. Hmm. su un écart de langage hmm. entre le ministre de la Communication. Hmm. et les citoyens sénégalais je trouve qu'il y a un problème il faut que nous xoolaat la communication le mais ils ont un porte-parole du gouvernement kooku censé parler au nom du gouvernement par rapport à Bassirou Diomaye Faye bien bien de Biram Souley, la engagé comme état mais nit nit la la war xam nga ko mhm. yu je crois que c'est des détails man ci il faut ñuy c'est des priorités de l'heure nous avons des priorités de l'heure si nga avons des effet de communication à mon sens effet de communication mon sens Il a sens hmm. toujours je le rappelle les engagements qui ont été pris les promesses ils avaient déjà dit qu'ils vont avoir 15 ministres parce que nous ko débat ba ñuy États-Unis 5 minutes, vous a 15 ministres. Maintenant, il y a un problème. Les États-Unis, c'est 52 États. L'État Bounek a un gouverneur. gouverneur d'État, l'État qui est aux États-Unis, dans le président de la République. Nous sont les deux sans avoir un ministre. C'est 52 États. L'État Bounek est autonome. ont un gouvernement. Nous sommes en Corée, Chine exemple dans la radio en Belgique en 2019 ci période de bi mais Belgique 2019 ba 2020 jëm 2021 dafa dañ ko dafa dafa doxal Belgique les autorités dañoo doxal Belgique sans un gouvernement 2019 ba 2020 Belgique amul gouvernement. En bi 2020 il ba 2021 ñu def évaluation ils ont vu que c'est PIB pays yok dëkk ba avancé. Mhm. européens yi comment vous avez fait xam ne sais pas nous avons des, institutions très fortes. Dans une république, dans un État, si les institutions sont très fortes, on n'a pas besoin beaucoup de mécanismes de développement. Mais malheureusement, quand on dit aux Sénégalais qu'on a 15 ministres, après on a 25 ministres, je l'ai dit avant-hier, 25 ministres, mon ferme, 5 ministres délégués. Mm-hmm. Dans le conseil des ministres, c'est des ministres pleins ministre délégué c'est un ministre est au conseil des ministres ils ont 30 ministres sont au conseil des ministres. ils ah, ont mais 25, cinq sont sont, non 25 vingt tous les 30 sont officiels. le officiel moi, lu ñuy a notification. C'est officiel parce qu'on a dit que le gouvernement du Premier ministre est composé de 25 ministres et 5 ministres délégués. Ces 5 ministres délégués, ils sont conseillers, ministres, c'est des ministres. Point te eh, dina des. encore dina nee la dañuy gis nga rupture à la place de rupture. le mot changement mo gëna a adéquat changement moy fekk li nga xamné ne nga défarat bu mu gëna bax fekk li nga xamné baxul santul yalla nga jël éponge toyal ko bu mu toy nga effacer ko comme ni ngay bindee carré ci tableau. ils peuvent pas amener la rupture et la preuve c'est la continuité avec le nouveau ministre des finances bi fi nek ah bon il était le directeur général de la planification budgétaire du Sénégal moom mos a planifier le budget du Sénégal un expert dans l'art nak koko man la mhm. et il a été sous le sous la tutelle du ministre des finances sortant monsieur Mustafa Ba qui est un capot des finances. mais est-ce que ñom deugnu ba dugg ci biir do xam exactement les réalités yi nga xam ne mo nek moo nekk gisaguñu sax réalités yi gis nañu ay réalité mais dugguñu ci. posture digg digg réalité yi. nee naa ne si di wax neex na trop mais bon nee ci biir mais Ibrahima Pouye. waaw dañuy organiser match. Ça sama wax ju bari du may sport. Mhm. du ma daw. Mhm. ma ñëw football par force bu ma dugg ci terrain bi dix minutes man maa ne génne parce que li ma fay fekk ak li am day Léopold Sédar Senghor a été très bien formé sur le plan administratif sur le plan politique par la France Abdou Diouf a fait l'apprentissage du gouvernement gouverneur préfet sous-préfet premier ministre il maîtrise en 81 Léopold Sédar le président Abdoulaye Wade a fait l'apprentissage du gouvernement il s'est opposé 26 ans à Abdou Diouf négocié ñu a ci kaso ba mu négocier gouvernement génnaat Nekat, si opposé wu pare duggaat nekkat ministre génnaat Nekat, il a appris à travers ses compétences nous ñu jógee ci président Abdoulaye Wade dugg ci président Macky Sall qui a fait l'apprentissage du gouvernement ñaata at la ànd ak Abdou euh, Abdoulaye Wade directeur pétro agence simple Petrosen directeur Petrosen ministre de de l'énergie ministre de nangam ministre de nangam premier ministre ministre de l'intérieur président assemblée ils ont appris le gouvernement est un apprentissage. Ousmane Sokak Bassirou Diomaye Faye jamais fait l'apprentissage du gouvernement. Moi, le n'ai pas difficile ci ñoom suñu bëggé mu wëf ci ñom, dañuy mais lolu tamit ça comment président on am 44 ans. non l'âge n'existe pas. France boo xoolee ci pays yi a développé mais qui xoolee si ki ki président ko âgé. non je ne parle pas d'âge je parle de l'apprentissage et la maîtrise du gouvernement Macron a appris Macron xëyu rek le président de la République il est ministre en France il est ministre des finances. bu fekkee bu ce sont les sénégalais. qui nekkoon des finances non sénégalais n'ont ne kat man kii laa bëgg mu nekk non les sénégalais. non ça n'a rien à voir avec que j'ai expliqué. c'est pour dire que peut-être que difficile ci parce que les tenants et les aboutissants du gouvernement. ils hmm. ont am na parce que mosuñoo jaar ci gouvernement laa hmm. mais par rapport à la légitimité des voix des sénégalais. Hmm. c'est extraordinaire ce qui s'est passé au Sénégal avec le président Bassir Diomaye Faye c'est ça la démocratie mm-hmm. le Sénégal actuellement est la meilleure démocratie du monde nous sañ la meilleure démocratie du monde dans tous les pays du monde nous ci jël paix parce que li am ci diggante wéru koor gi 2021 ba fiñ toll mm. deux semaines Sénégal organisé élection présidentielle sans chauve, sans bavure mm-hmm. sans violence sans contestation mm-hmm. Nous avons un président de la république investir ko fonction hmm. nous avons la meilleure démocratie et chapeau félicitations aux sénégalais hmm. félicitations au président de la république monsieur Macky aussi hmm. Lui, moom moo possible Il hein? est possible parce que c'est lui qui a montré les voies et moyens jiñ nañ ko fi lu ne tam ko fi lu lui lu a yàq nañ ko fi deram mais lu qui munte président Macky Sall duñ ko a blâmer infrastructure quand j'entends le projet PASTEF dire qu'il veut éradiquer le PSE je ah, doucement c'est quoi le projet nga PASTEF projet mais là la wax ma ah, mais projet le monde Sénégalais non j'ai dit. Mom, Sénégalais euh, pas dit que le projet le PSE la base du PC, c'est le yoonu Il y a un programme local le président Macky Sall ak APR sénégalais les axes du Yonu yokkute c'était le monde rural la jeunesse et euh, le monde rural la jeunesse et les femmes tey koo pe euh, le monde rural la jeunesse les femmes Mais accéder au pouvoir le président Macky Sall accédé accéder au pouvoir renforcement de capacité il a renforcé le yon yokkute côté ko éradiqué wu ko da koy pour mu un projet international jay ko Europe def ces ay réflexion ñu teunk le PSE tëgg ko financement mais PSE bi so xolé PSE bi dang ci gis ay de développement infrastructure dang ci gis le PUDC qui est en train de faire un travail extraordinaire dans le monde rural dans le PSE tu trouves euh, euh, euh, la solidarité sociale à travers le CMU, couverture universelle, à travers les bourses sociales familiales, à travers magni plan Sésame da ngay faju te doo fay doon si Abdoulaye Wade lu jógee Macky Sall renforcé ko c' est des axes yoo xam ne koo ci yeewoon tey mu ne la ah lii kat la BRT bi PSE la. TER bi TER e finition AIBD PSE la ci Daki yi e domaine agricole communautaire soo ci la nouvelle ville de Diamniadio c'est le psl e. Bonne ñëwee ci le budget du Sénégal bi yokk ba ci 7000 ak 4 milliards